le forum du le forum le forum du le forum du le forum du mesdames, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu qui vous sont diffusés en direct par nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Je suis Nafis Adam Sirfo. Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce débat qui porte sur la présence des femmes en politique au Niger. Aucune femme nigérienne parmi les 30 candidats en liste pour l'élection présidentielle de 2020-2021 au Niger, malgré son poids électoral important et bien que la femme nigérienne représente plus de 50% de la population selon l'Institut national de la statistique. Depuis 2016, avec Madame Bayard, qui fut la première femme à se présenter à la présidentielle du Niger, les femmes quittent visiblement la scène politique. Comment l'expliquer que faire pour changer la tendance Quels changements ces femmes peuvent apporter au pays C'est à toutes ces interrogations que nous tenterons de trouver réponse au cours de cette émission. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio Madame Mahawa de la division participation politique au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et nous avons au bout de la ligne Madame Ayuba Balkimaman, et les candidate aux législatives. Merci, chers invités. Dans ce premier chapitre, nous verrons pourquoi il y a si peu de femmes en politique au Niger. Je vous le disais, aucune femme nigérienne parmi les 30, candidats en liste pour l'élection présidentielle de 2020-2021 au Niger, malgré son poids électoral important. Les pesanteurs socioculturels et la caution fixée à 25 millions de francs CFA font partie des facteurs qui expliquent le manque d'intérêt et d'engouement de la femme nigérienne pour les élections présidentielles, souligne la politologue docteur Elisabeth Tachérif que je vous propose d'écouter. Beaucoup de facteurs sont susceptibles d'expliquer cette absence de femmes à ce haut niveau de compétition électorale et notamment des pesanteurs socioculturelles qui sont désavantageuses parce qu'elles présentent la politique d'une manière générale comme étant le domaine de prédilection des hommes. En ce qui concerne spécifiquement euh, l'élection présidentielle, cela concerne la haute euh, magistrature de l'État. Et jusqu'à présent, dans nos sociétés, il y a des mentalités qui ne sont pas du tout favorables et qui sont même hostiles au commandement féminin. Avoir une femme à la tête d'une institution n'est pas encore bien accepté dans certains milieux sociaux de ce pays. À cela s'ajoute la caution demandée pour la participation, la somme de 25 millions qui n'est pas à la portée de toutes les femmes qui travaillent honnêtement. Madame Ayouba Balki Maman, vous êtes candidate aux législatives. Vous venez d'entendre l'intervention de la politologue euh, Dr Elisabeth Chérif. Les pesanteurs de la société expliqueraient l'absence des femmes. Vous êtes d'accord euh, Oui, en tout cas sur le terrain électif. Vraiment, on sent que les femmes ne sont pas présentes euh, sur le terrain politique. au présidentiel, sera envisageable. Parce que pourquoi et notre éducation, l'éducation religieuse, donc euh, en général de l'Afrique et en particulier du Niger, nous prédestine donc à ne pas nous présenter aux élections présidentielles. C'est sûr qu'il y a une de nos sœurs qui a osé mais vous avez vu l'essor qui a été réservé à cette euh, candidate. Justement, euh, on retient, oui, on retient de l'histoire du Niger il n'y a que Madame Bayer qui a osé, mais qui malheureusement n'est plus dans la course. Elle n'a pas été soutenue et par euh, la population et surtout par même les femmes dont elle défend les, intérêts. On ne l'a pas vraiment soutenue et cela est dû donc à notre confession religieuse. Elle a manqué de solidarité venant de la jante féminine. Mais on l'a constaté, parce qu'au Niger, nous, femmes, nous représentons plus de 50% de la population. Donc, normalement, normalement, elle doit être euh, le président de la République. Mhm. si, nous, si nous nous sommes adonnés à ces jeux électorale. Quoi. Si les femmes étaient sorties pour soutenir Madame Bayer, même si euh, elle, n'est pas élue au premier tour, elle allait être élue au, au second tour. Alors, Madame euh, Hawa Sadou, vous êtes, euh, vous représentez la division participation politique au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. La scène politique, comment vous analysez la situation, la participation des femmes en politique au Niger Comment se présente la situation selon vous Merci pour cette invitation. La situation de la femme sur la scène politique au Niger, nous, on peut dire qu'il y a une amélioration avec, euh, avec euh, la loi sur le quota qui a été votée et son décret d'application est mis en vigueur. Donc, euh, je veux dire que toute liste qui n'a pas respecté la loi sur le quota sera rejeté par la CENI. Donc maintenant, le droit là, notre droit là, qui a été voté à l'Assemblée, est vraiment une obligation. Une obligation comment Pour qui C'est une obligation pour les, les, leaders des partis politiques. Tout leader qui n'a pas respecté la, la, loi sur le quota, son, sa liste sera rejetée. Donc on peut dire que vraiment avant avant, vraiment, il y a un problème. Les, femmes euh, n'ont pas accès à, la scène politique. Mais cette heure-là, nous pouvons dire que, alhamdulillah, ça va cette scène parce qu'ils sont obligés de respecter le quota. Donc, selon vous, c'est le quota qui oblige les leaders politiques de travailler avec les femmes Oui, c'est le quota qui les oblige. Sinon, aucun leader euh, n'a pas, aucun leader n'est pas vraiment, n'a pas la volonté d'impliquer les femmes. Ils n'ont pas la volonté de nous associer dans les instances de prise de décision de ces pays. Mais maintenant, Dieu merci, vraiment, nous avons le quota de 25% est respecté. Mm-hmm. mais, oui. mais nous voulons vraiment et oser avant les élections à venir d'ici l'horizon 2030 et d'atteindre la parité comme euh, au même titre que les autres pays. justement. Alors, euh, à entendre Madame Hawa Sadou, euh, à l'heure actuelle, les femmes participent pleinement à la politique et selon elle, c'est l'application du quota l'adoption du quota ou bien le rehaussement du quota qui oblige les leaders politiques à travailler avec les femmes. Êtes-vous d'avis, Madame Ayouba Balki Oui, je suis d'avis parce que récemment, comme elle l'a dit, Madame, donc, euh, un décret et une loi et un décret d'application qui ont été pris, donc, euh, qui nous donne, euh, qui nous favorise, pas au même titre que les hommes, mais on a au moins 25% et des femmes qui doivent donc euh, se présenter sur la liste électorale du moment où ces, textes ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Nous pensons que le quota des femmes euh, doit être rehaussé donc, euh, à tous les niveaux les pesanteurs socio culturels les questions financières euh, sont des facteurs qui bloquent les femmes à aller en politique. D'aucuns pensent que ce sont les hommes qui empêchent même les femmes à aller en politique. Que dire sur cela Bon, nous pensons que les pesanteurs, donc comme vous le dites, sociaux, sont là et on fait avec. Mais je crois que les femmes sont édifiées maintenant, surtout avec l'application de ces textes nous, bah, nous, allons, euh, nous allons combattre aux côtés des hommes. Mhm. Nous allons essayer donc euh, de nous aligner avec ces, ces, gens, avec ces hommes-là, pour aussi défendre nos intérêts. Parce que ces, décrets nous permettent donc euh, un peu de, de, relever, parce que avant l'adoption de, de ces décrets-là, les femmes étaient un peu sceptiques par rapport, parce que nous sommes isolés, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mhm. Mais, mais ces mais ces cela là donc, nous donne au moins le droit de relever les défis. D'accord. Euh, vous êtes candidate aux législatives, Madame euh, euh Balki. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs à aller en politique Bon, et de tout temps, c'était les hommes qui étaient élus. Mhm. Et ces hommes-là, certes, il y avait des femmes qui sont députées, mais ces, ces femmes-là n'étaient pas nombreuses. Et puis, ce qui me motive surtout, moi, j'ai, comment ça s'appelle ça, une base, une base qui me soutient. Et la base, ma base, là, est constituée de beaucoup de, femmes et beaucoup de jeunes. Donc, je suis obligée, donc, une fois élue, je suis obligée, donc, euh, de les représenter valablement à l'Assemblée nationale mmh. et lutter pour la défense des intérêts de cette couche vulnérable de la population. D'accord. oui. oui, et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être femme politicienne aujourd'hui ah, Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis à l'aise hein. en tant que femme politicienne. Moi, je suis à l'aise parce que je me défends, que ce soit donc sur le terrain de la politique ou dans la vie courante, je me défends. Donc, euh, je crois que moi, je n'ai pas de problème par rapport et eh, comment on appelle ça, à côtoyer ces messieurs-là et mhm. à défendre les droits des femmes. Aucun obstacle, aucun obstacle pour vous Obstacle, obstacle, on les, on sent de tout temps. On est, parce que même dans, par exemple, dans, parmi les membres du, du bureau politique, qu'on qu prétend, comme qu'on appelle ça, défendre eh, les couloirs d'un parti, mhm. les femmes, elles sont toujours un peu isolées, elles sont mises à l'écart. Parce que même dans la désignation de ces, des dirigeants d'un parti, les femmes, elles sont toujours euh, mises un peu à côté, parce qu'on euh, pense qu'elles ne seront pas capables, et, comment est-ce qu'on appelle ça, de, déterminer certains titres, comme par exemple être vice-présidente d'un parti politique. Les femmes n'ont pas accès à ces postes, par exemple. Être, par exemple, SG d'un parti politique, ça aussi, ce n'est pas, oui, les femmes n'ont pas accès à ces, les postes qui sont un peu plus importants mhm. ne sont jamais à la disposition des femmes. Alors, Madame euh, euh Nahawa Sadou, euh, Madame Balki, on sent la motivation en elle. Euh, selon vous, comment vraiment les femmes même doivent s'impliquer dans la politique pour vraiment être maintenues même en politique Comment elles doivent s'impliquer Bon, avant de répondre à votre question, et eh, je vais amener, amener une précision. Je vais amener une précision. Mhm. Cette loi sur le quota qui est de 25%, ça, on a dit 25% de l'un ou l'autre sexe. Mhm. Ce qui veut dire que nous, les femmes, nous pouvons occuper les 75%. Tout comme les hommes. Tout comme les hommes. Mhm. Mais vraiment, ils ne sont pas prêts. Ça, c'est sur notre base de documents. C'est ça. Mais sur la pratique, sur le terrain, les hommes ne sont pas prêts à nous donner les 115%. Mhm. Ils ont attribué le 25% pour les femmes. Sur les textes, oui. Donc, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Dans la pratique, ce n'est pas le cas. Sur les textes, nous, femmes, nous pouvons occuper les 115%, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Mhm. Les hommes n'ont pas cette volonté de, de, nous donner les 115%. Mhm. Mais malgré tout, je dis tant mieux toute chose commence à. Pour toute chose, il y a vraiment un euh, commencement. Oui, c'est avec le temps. Avec le temps, nous, nous voulons occuper plus de 115% mhm. des postes. Et donc, comment vraiment ces femmes doivent s'impliquer Elles doivent s'imposer Comment elles doivent s'imposer Bon, les femmes en s'imposant vraiment, elles doivent batailler mhm. parce parce qu'on a dit, on a toujours dit que vraiment le droit ne se donne pas, ça s'arrache. Mm. Les femmes doivent être motivées, vraiment s'adonner à la politique, constituer comme d'autres, beaucoup de femmes maintenant aux élections 2021, beaucoup de femmes sont présidentes des comités de base mm-hmm. dans leur quartier. Donc les femmes n'ont qu'à vraiment batailler former leur comité de base d'abord mhm. et ensuite grimper l'échelon. Où se situe le gros problème En milieu urbain, en milieu rural Bon, le gros problème, euh, c'est en milieu rural, puisque en milieu urbain, vraiment, les femmes, hein, regardez, aux hommes, maintenant, e l'ONG FAD est en train de renforcer les capacités des femmes leaders en politique, des femmes candidates. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous allez voir, la salle ne peut même plus contenir les femmes. Vraiment, il y a une avancée. Vraiment, il y a une avancée très significative. Mm-hmm. D'accord. Une avancée significative pour les femmes en milieu urbain. Le gros problème se situe pour les femmes en milieu rural. Madame euh, balki Baliki, que dire sur cela euh, Comme euh, l'a dit donc ma, ma, camarade, donc elle a raison en milieu rural. Sinon, les femmes ont toujours été un moteur du développement. Mm Qu'elles soient en milieu rural, qu'elles soient en milieu urbain, elles ont été toujours le moteur du développement. C'est seulement en milieu rural, par exemple, les femmes, leur, euh, comment on appelle ça, leurs activités ne sont pas valorisées. ce ne sont pas valorisées, ne sont pas inscrites euh, sur les elles ne sont pas inscrites sur les balances de, qui peuvent permettre euh, d'évaluer le développement, par exemple, d'un pays. Mais, en, milieu, euh, oui, en milieu urbain, les femmes donc, euh, sont un peu plus motivées et parce qu'elles ont, des, elles elles ont des facilités, par exemple, à évacuer et à, faire leurs activités. quoi. Oui, c'est ça. C'est parce que les femmes rurales, elles sont en partie, bon, elles ont besoin des tâches plus difficiles que les femmes rurales. Par exemple, elles peuvent euh, mettre beaucoup de temps pour euh, s'approvisionner en eau, par exemple, mhm. ou en bois. Elles sont lésées, elles ne sont pas impliquées dans la politique. Et par, par exemple, pour les mettre dans les listes électorales, on va leur exiger euh, un diplôme, alors que de l'autre côté, les femmes, généralement, elles s'arrêtent même si elles ont été scolarisées, la plupart du temps, elles s'arrêtent seulement à l'école primaire. D'accord. Et parlons, euh, revenons sur la question du quota. On sait qu'à travers le rehaussement de quota, du quota euh, qui, qui a été fait en 2019, euh, qui est rehaussé de 15% à 25% pour les fonctions électives et de 25% à 30% pour les nominations à des emplois supérieurs, le Niger a à l'instar des autres nations du monde, s'est engagée à faire de la femme une actrice à part entière donc, euh, du processus du développement socio-économique et politique. Et donc, euh, selon vous, que faire dans les années à venir pour que le quota soit euh, vraiment respecté à tous les niveaux Moi, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sensibiliser les femmes. C'est sensibiliser les femmes sur la loi du quota. Mhm. Euh, c'est sensibiliser la femme sur la loi du quota à tous les niveaux, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. On doit faire des sensibilisations pour, pour euh, faire parvenir aux femmes d'abord, les édifier par rapport à cette loi et leur montrer la facilité qui qu'offre cette loi. Mhm. À, leur égard. On, doit passer par la sensibilisation. Et puis, bon, la loi du quota, oui, on en est fier, euh, on est content de, on est contente de, la, de cette euh, loi, mais pourquoi ne pas faire et euh, autre, une autre loi sur les, sur, les Si on mise sur les gens ça va encore plus faciliter et comment on appelle ça les problèmes qu'ils rencontrent, euh, ça va résoudre les problèmes qu'ils rencontrent les femmes mhm. sur les quotas. Quand on parle du JAR, par exemple, les JAR s'appliquent non seulement aux femmes, mhm. mais ils s'appliquent aussi aux hommes quand on dit JAR. Donc moi, j'aimerais qu'on dépasse euh, ce stade de quotas, qu'on aille vers les JAR. Mhm. Parce que quand on parle du JAR, on va parler donc du quota à, à 50-50, par exemple. Moi, je veux qu'on aille oui, qu'on aille vers 50% du genre. D'accord. Que ce soit aux élections, que ce soit au poste du gouvernement. Oui. Donc, euh, il y a aussi une loi pour les illettrés. Mhm. Donc, même, les femmes rurales peuvent profiter de cette loi. Mhm, mhm. Il y a une loi pour les illettrés au Niger. Oui. Cette loi donne euh, aussi, la loi des illettrés aussi, 15% des, illettrés, illettrés hommes ou femmes. Donc, ça favorise les femmes rurales à s'adonner à, la, politique. Mais mm. moi, je vous dis que pour amener les femmes là en politique, il faut vraiment une sensibilisation. Elles ne sont pas déterminées. Mm-hmm. Mais sinon, moi, je suis ici du monde rural. Mm-hmm. Je sais que ma grand-mère maternelle et ses, collègues d'âge, mm-hmm. vraiment, on, se, sont, se sont déterminés, se sont montrés exceptionnel. Parce que moi, ma grand-mère maternelle, elle faisait le commerce, mhm. elle faisait la navette de village à village, de village à village. Une grande battante Oui, pour, pour vendre le piment, le, le gabou, mhm. les piments, mhm. les condiments. Donc vraiment, depuis l'Antiquité, les femmes ont les femmes ont prouver la preuve mhm, mhm. de dynamisme, de détermination. De, il leur faut juste un, soutien. Il leur faut juste un soutien, un ah. renforcement des capacités. Mhm. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Alors, dans ce deuxième chapitre, nous tenterons de voir ce que pourraient apporter davantage les femmes une fois élues au, à leur pays. Je vous donne la parole, Madame euh, Sadou Hawa. Les femmes, comment, euh, selon vous, quels sont les grands changements que les femmes peuvent apporter au pays une fois élues Bon, vraiment, les femmes peuvent, les femmes peuvent apporter un changement significatif mhm. à leur pays parce que les femmes de nature, elles sont très attentionnées. Attentionnées euh, comment Elles sont très attentionnées parce que la femme de sa nature, elle soigne. Elle soigne tout ce qu'elle met à sa disposition. Mhm. Elle soigne. On a vu vraiment les femmes à l'épreuve. Mhm. On euh, les amis à à l'épreuve et euh, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ont mérité un témoignage de satisfaction. Et vraiment. Peut-être un exemple, un exemple précis. Un exemple précis. Ici, par exemple, la ministre en charge de la promotion de la femme, mhm. elle s'est bataillée pour rehausser le loi, mhm. la loi sur le quota. Mhm. Hein, qui a finalement euh, été rehaussée. Qui a été rehaussée. Et c'est dans ça que vraiment beaucoup de femmes vont se voir à l'hémicycle, à l'Assemblée. Et aussi les postes euh, euh, nominatifs de 30%. Donc vraiment, les femmes aussi, on a vu les femmes caissières les femmes que c'est jusque-là, on n'a jamais vu où une femme a détourné de l'argent. Tout ça, là, vraiment, c'est des exemples. Mhm. Donc, euh, si on comprend bien, une femme vraiment euh, euh, a la capacité d'une bonne gestion. Madame Balki Hawa, Madame Balki Maman, autant pour moi, les femmes peuvent vraiment apporter beaucoup de changements au pays. Elles sont capables de bien gérer, selon Madame Ayoub et Madame Hawa Sadou vous, une fois élu, quel changement comptez-vous vraiment apporter au Niger Madame, que Dieu vous entende que je sois élu. <laughs> Parce que nous, nous allons montrer que nous sommes les vrais représentantes de nos, électeurs. Mhm, mhm. Par exemple, si moi, je, il arrive que je sois élu, je vais prendre beaucoup d'initiatives de la prise en charge des difficultés de développement et de l'épanouissement des femmes et des jeunes. Mm-hmm. Je ferai aussi, je aussi des actions qui vont non seulement décharger les femmes de beaucoup de leurs tâches et mettre à, à leur disposition des moyens, des moyens en nature, par exemple les machines, euh, par exemple pour leur faciliter l'intégration même dans, leur milieu. Beaucoup d'actions donc euh, dans l'amélioration des conditions de vie des femmes. Des vies des femmes et des jeunes. Oui. Dans leur bien-être, oui. De la population en général. De, la population en général, mais en particulier des femmes mhm. et des enfants. C'est parce qu'ils constituent donc euh, la couche vulnérable de notre euh, société. Mhm, mhm. Et, donc, au-delà de vos actions, vous, selon vous, vraiment, quels sont les grands changements que les femmes peuvent apporter au pays Parce que d'aucuns disent que les femmes sont incapables, que euh, les hommes, les hommes, les hommes gèrent mieux le pays. Selon vous, vraiment, quels sont les grands changements qu'elles peuvent apporter pour un pays les, femmes, elles sont capables d'agir. Elles sont capables et ils ont beaucoup de preuves, ces hommes. Ils ont mhm. beaucoup de preuves à tous les égards. Mhm. Par exemple, si, les femmes sont élues, les femmes sont par exemple, eh, eh, présidente de la République. Mhm. Par exemple, on élit une femme présidente de la République. Mhm. Vous savez très bien que elle va se, eh, elle va se débattre pour satisfaire la population, mhm, pour assurer un développement un dit durable de certaines couches de la population. D'accord. Parce que nous, d'abord, les femmes, à la souche même, nous sommes donc euh, la solution. Nous sommes la solution à tous les problèmes. Mhm, mhm. ils le savent. Nous sommes la femme, elle est l'infirmière, elle est ménagère, euh, elle est jardinière, euh, elle est l'enseignante. Nous assurons toutes les tâches. Mhm, Alors si là, on arrive à, à élire une femme, donc présidente de la République, vous imaginez à quel point elle va apporter son concours à toutes, et pour euh, toute la nation. Toutes les difficultés, pour résoudre toutes les difficultés de toutes les couches, mhm. par exemple pour, euh, pour assurer la santé, mhm. le minimum donc de bien-être aux populations. Parce que la santé, oui, elle va aussi chercher à éduquer, comme elle, va se sentir d'abord la mère de la nation mhm, avant d'être présidente de la République. Ça, c'est très certain. Effectivement. Oui. OK. Madame euh, Hawa, euh, que dire davantage sur vraiment les grands atouts de la femme Bon, par rapport aux grands atouts de la femme, moi, je vais ajouter, j'ai étudié à l'ENSP de Niamey, École nationale de la santé publique et tous nos modules, on écrit l'infirmière doit être capable de, l'infirmière mhm. doit être capable de, mhm. l'infirmière doit faire ceci, cela. L'enseignant lui-même, il a, attiré, notre attention. Il a dit, vous, avez vu chaque fois, on dit l'infirmière, l'infirmière, l'infirmière, mhm. c'est au féminin à la féminité. Oui, oui. Parce qu'on a dit que dans les pays occidentaux, partout dans le monde, le travail d'infirmière, était destinée uniquement à, la, femme. parce que c'est la femme qui, naturellement, a les capacités d'être attentionnée, mhm. d'être vraiment. Et, d'être vraiment très soignante. Mhm, mhm. Elle soigne, elle soigne très minutieusement, elle est attentionnée. Ce n'est pas vraiment destiné à, l'homme. L'homme n'a pas vraiment toutes ces facultés-là. Et, une fois euh, ces femmes euh, euh, en politique, que doivent-elles vraiment faire pour vraiment démontrer leur détermination, leur capacité Une fois nommée, la femme politicienne, elle doit vraiment apporter un grand changement dans, pour sa communauté à laquelle elle a été élue. Mhm. Elle doit vraiment développer sa communauté d'abord recenser les problèmes qui existent dans la communauté, mhm. prioriser les problèmes et, en, maintenant, maintenant, solutionner les problèmes par ordre de priorité. Mhm, mhm. Par exemple, et comme l'a dit ma collègue, Madame Balki, vraiment une fois elle, elle, a, elle a envisagé pour développer, mettre l'accent oui. pour les, le, dans le développement socio-économique des femmes et des jeunes. Mhm. Elle a parlé des genres. Et je suis aussi une jariste. Mhm. Moi-même, je me dis que cette loi de quotas pour les femmes-là, on doit encore réviser, mhm. rapporter ça au genre. Donc, on doit vraiment intégrer les jeunes, les femmes, les personnes âgées, leur octroyer aussi leur quotas pour que tous ensemble, on se réunit à l'hémicycle et vraiment pour une meilleure gestion. Une meilleure gestion des cas. La personne âgée connaît les problèmes des personnes âgées, mhm. le jeune défend les causes des jeunes, les femmes défendent les causes des femmes, mhm. et ainsi de suite. D'accord. Nous arrivons donc euh, au dernier chapitre de notre débat pour voir donc avec nos différents invités ce qu'il faut faire pour changer la tendance et favoriser davantage la participation des femmes en politique. Madame Baliki, vous êtes euh, candidate aux législatives. Euh, si les femmes sont peu représentées en politique, selon vous, que faire pour vraiment changer la tendance Bon, et donc, euh, pour changer la tendance, donc, euh, déjà, je vais encore reparler de notre euh, loi sur le quota. la mhm. Les lois sur le quota nous ouvrent toutes les portes au changement. Oui, je suppose que ça, ça ouvre toutes les portes au changement, en tout cas à l'égard des femmes. Mhm. Donc, les femmes doivent s'impliquer dans la politique, les femmes doivent batailler. Mhm. Mais c'est une question de sensibilisation. Il faut sensibiliser pour faire euh, comprendre donc, euh, à ces femmes donc, euh, la facilité que nous donne donc, la, cette loi sur le quota. D'accord. Donc on doit, on doit peut-être approcher les femmes, surtout les femmes rurales. Donc pour qu'elles puissent s'impliquer dans la politique, il faut qu'elles soient, qu'elles soient sensibilisées, mhm, mhm. qu'elles sachent à quoi s'attendre et qu'elles sachent quoi faire dans cette, eh, euh, eh, eh, comment est-ce qu'on appelle ça, comment jouer le rôle donc des vraies politiciennes et des leaders. D'accord. Si elles ne sont pas sensibilisées, elles ne peuvent pas prendre l'ampleur de la chose. Mhm, mhm. Ok. Alors, euh, Madame euh, euh, Hawa Sadou, les différents partis politiques, selon vous, quels sont les différents engagements qu'ils doivent prendre pour faire participer les femmes aux élections et plus même les maintenir en politique Quels sont les engagements qu'ils doivent prendre Bon, pour les engagements, les, les leaders des partis politiques doivent signer des conventions, des conventions d'accord, mhm. d'accord pour vraiment intégrer les, les femmes dans, dans l'échéance mhm. électorale. Mhm, Et maintenant, les femmes, maintenant, quant à elles, je les invite à ne pas se contenter uniquement de la loi sur le quota, mhm. de batailler, de battre campagne au même titre que les hommes mhm. et de montrer, d'abord de montrer la preuve, mhm. la preuve, la preuve visible à la population qu'elles elles que mêmes elles sont capables, elles peuvent, elles peuvent apporter beaucoup de poids, beaucoup de voix à l'électorat. Et Madame Baliki, euh, que dire donc sur ces, sur ces propositions d'engagement que doivent prendre les partis politiques oh, Moi, je pense que donc euh, l'engagement ce c'est pas un engagement je ne prends même pas ça pour un engagement mhm. l'implication des femmes aujourd'hui s'impose mhm. elle s'impose non seulement par la loi du quota mais elle s'impose aussi par donc euh, l'intérêt qu'apporte donc euh, les bailleurs de force, la prise en charge des femmes à tous les niveaux, mhm. mais mhm. aussi par la l'intégration. Il y a l'intégration, il y a la globalisation et la mondialisation mhm. qui font en sorte que donc les hommes sont obligés de faire de faire des comment on appelle ça les femmes sont les hommes sont obligés de nous mettre donc dans toutes leurs actions. Par exemple, si, sur le plan mondial, par exemple, si maintenant un bailleur de fonds veut financer une activité, il exige euh, donc euh, que des femmes soient impliquées dans leur euh, projet, mhm, mhm. que ces femmes-là soient au, devant de certaines activités du projet. Donc cette, cette prise en charge, cette implication des femmes dans la politique, elle s'impose d'elle-même, madame. D'accord les, partis politiques. Comme je dis, c'est la mondialisation. Oui. C'est mondialisation, c'est la mondialisation. La preuve palpable. Par exemple, c'est, aux listes électorales, si vous ne présentez pas de femmes, votre liste est rejetée. Mhm, mhm. même cette petite euh, preuve-là, elle, elle, est bien, comment on appelle ça, donc euh, elle doit attirer l'attention des yeux de, ces partis politiques, oui. D'accord. Alors, merci à vous. Madame Hawa Sadou, vous êtes de la division participation politique au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et donc, au niveau de votre euh, ministère, quelles sont les actions entreprises euh, pour favoriser la participation des femmes, favoriser sa présence même en politique au Niger les actions que le ministère en charge de la femme a entrepris pour vraiment la pleine et l'effectivité euh, de la participation politique des femmes en que d'abord euh, la ministre en charge et son équipe ont bataillé et ils ont gagné. Ils ont réussi à rehausser la loi sur le quota des femmes. Mhm. Et en dehors de ça, il y il y a eu une campagne de sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour diffuser la loi sur le quota dans mm. les huit régions mais mm-hmm. mm-hmm. aussi des campagnes de sensibilisation pour l'éveil de conscience des femmes. Mm-hmm. Et encore, on a eu à former beaucoup de femmes sur le leadership féminin. Sur le leadership féminin, il y a aussi la direction du JAR qui renforce les capacités des membres de la cellule JAR de tous les ministères sectoriels. Mhm. Il y a aussi la direction de l'autonomisation économique de la femme mhm. qui vraiment renforce euh, les capacités des femmes à être autonomes et ils cherchent... Euh, auprès des projets de, de vraiment des le renforcement des femmes et encore l'allègement des tâches domestiques voilà. à mettre à la disposition des femmes des moulins à grains, mhm, mhm. des batteuses. Dans tous les domaines, dans toutes les trois directions, vraiment, il y a eu vraiment des activités. Mhm. D'autres qui ont concouru à l'allègement des tâches domestiques, d'autres qui concourent à la scolarisation de la jeune fille mhm. et d'autres qui concourent encore au renforcement des capacités à amener les femmes à être leaders. Donc pour cela, il y a même la direction du leadership féminin. Mhm. Madame euh, Balki Ayouba, toutes ces actions entreprises par le ministère notamment les sensibilisations et autres. Est-ce suffisant pour vraiment favoriser la participation des femmes en politique au Niger oui, madame, et toutes ces actions que les ministère les ministères de la promotion de la femme entreprend et sont salutaires. Elles sont salutaires euh, mm. et nous en remercions, madame les ministres. Mm-hmm. Mais je crois que doivent aussi batailler, surtout pour mm-hmm. les femmes leaders. Les femmes leaders, j'aimerais dire par exemple, pendant cette, euh, pendant cette campagne électorale-là, oui. Pourquoi, par exemple, ne pas euh, faire euh, une réunion de, comment est appelle ça Une réunion avec les femmes euh, candidates, par exemple, dans les différentes régions ou dans les communes pour rassembler les femmes qui sont candidates aux élections. Mhm. Pourquoi ne pas les rassembler et leur, par exemple, donner de, des astuces, de, comment on appelle ça, de, un certain nombre de cheminements quoi, pour leur faciliter, par exemple, la leur campagne électorale mhm, mhm. pour euh, leur, donner par exemple un mécanisme par lequel elles peuvent euh, donc euh, acquérir beaucoup de d'expérience de voix aux élections oui. oui. faire des sensibilisations faire des réunions de sensibilisation pour les femmes qui sont candidates par exemple dans les même si c'est pas si c'est régional ou c'est dans les communes même si c'est pas on peut pas couvrir l'ensemble du Niger mais par exemple faire ça dans différents dans différents quoi, pour rassembler les femmes, les voilà, pendant les campagnes, vous allez faire telle chose, telle chose, telle chose. D'accord, donc j'espère bien que madame du ministère va prendre note de vos <laughs> ah, Il y a l'ONG FAD qui nous a vraiment avancé. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Hmm. L'ONG FAD est en train de former les femmes candidates. Il y a deux sessions de formation du lundi au vendredi, ils ont eu à faire d'autres formations bien avant, mhm. mais à l'heure actuelle, là, du lundi au vendredi, les femmes. Elle, elle parle concrètement du ministère. Bon. Au niveau du ministère. Bon, en fait, c'est pas dans l'immédiat, c'est des propositions. oui, <laughs> c'est des projections, Voilà. merci, madame. Mhm. Oui. merci, madame. Merci bien. Mhm. Oui, oui, continuez, madame Balki. Non, c'est quand même une des propositions qui, je crois, que la plus facile. Parce que si je dois encore, euh, comment ce qu'on appelle, continuer dans cette même projection, moi, j'aimerais aussi que le ministère de la protection de la femme, mhm. hein, de la promotion de la femme, prévoit aussi, euh, euh pourquoi ne pas prévoir euh, peut-être un appui hein, elle un appui aux femmes. Oui, prévoir une rubrique dans mhm. leur budget. cette rubrique-là est vraiment, euh, va prendre en charge l'appui. Et donc, on doit accorder aux femmes eh, eh, eh, qui sont candidates aux différentes élections. Madame. On peut aussi ouvrir une brèche comme ça, oui. Mhm. Oui, Madame Balki, euh, nous sommes presque à la fin de cette euh, émission. Quel est donc votre mot de la fin Mm, bon, moi, je sais que je dois aller à, la fin, donc je lance un appel à l'endroit des femmes pour que se mobilisent à tous les niveaux, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, que cela soit euh, euh, que pour soutenir les candidatures de leurs sœurs. Mm-hmm. Qu'elles soutiennent les candidatures de leurs soeurs, parce qu'une fois que les femmes sont élues, mm-hmm. comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont capable donc de faire et euh, révolutionner mhm, mhm. les choses. D'accord. Les femmes, les femmes peuvent révolutionner les choses. Merci, Madame euh, Ayouba Baliki, Madame Sadou. Les femmes peuvent révolutionner les choses. Et vous, quel est votre mot de la fin Bon, nous, vraiment, notre mot de la fin, c'est vraiment à euh, envisager envisager vraiment des mécanismes de, euh, de rencontres ah, de, rencontres et d'échanges avec les femmes candidates. Mhm. Et vraiment, nous allons sensibiliser les femmes à, à être très solidaires, à accompagner leurs euh, collègues candidates mhm. et vraiment à oublier le parti dans lequel elles se sont adhérées, quel que soit le parti dans lequel la femme se trouve, s'il y a une candidature féminine, féminine d'oublier leur parti et de s'aligner derrière leurs collègues. Merci donc, chers invités. C'est ici que prend fin ce débat. Les femmes nigériennes malgré les obstacles dont elles font face, sont impliquées dans la politique et leur implication même s'impose de nos jours selon nos différents invités. Et donc, euh, malgré donc tous ces obstacles, elles doivent batailler pour euh, mériter leur place. L'accent a été mis sur la question sur le quota qui doit être révisé au JAR. C'est ici donc que prend fin cette émission. Nous étions avec Madame Hawa de la division participation politique au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Ayuba Balki Maman, elle est candidate aux élections législatives. Elle était restée au bout de la ligne. Merci donc à vous, chers invités. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, Abdoulaye Yakouba. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.